3, 2, 1, 0. Samari de 'yan mata Nijar. a kalmu man ce da lada uwayen mamaran waran man jan gadirgan lada uwayen mu ga <laughs> Ça, c'est la Fada. Bonjour et bienvenue dans votre émission Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse. Fraternité, travail, c'est en principe la devise du Niger. C'est ça Orange, blanc et vert, les couleurs nationales un pays d'une superficie de 1 267 000 km et plus de 20 millions d'habitants. Un pays avec euh, une jeunesse qui représente les deux tiers de la, population. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Un pays donc euh, à fort euh, potentiel de développement. Alors pour parler de développement, forcément, la jeunesse sera indexée. Le camp des jeunes de Saï. Ouais. C'est ça Oui, c'est ça même. Camp des jeunes de Saï, quelle finalité euh... Ah ah, on Hey! Hey! bravo. a bɔra comme fari seni Nino fam femme. bravo. agla la quoi femme. fam ko déjà ko pere ko ay mon ba bon sommer o kan go agba ngum fam se ko 200 participants, sixième édition. Le thème qu'il faut surtout retenir, jeunesse responsable. On y va, le thème ensemble. Jeunesse responsable. Les vieux des politiques Local et, Mesdames et messieurs, amis auditeurs, auditrices, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes à Saï. Nous sommes plus précisément dans une école. École Nous sommes euh, bien évidemment avec monsieur Mokhtar Zada, chargé à l'environnement du conseil communal de la jeunesse de Saï. Nous sommes aussi avec Soumana Hassan. Soumana Hassan Salifou, il est membre du conseil communal de la jeunesse. Communication. Ah, avec une équipe dynamique L'équipe est dynamique. Voilà. Je commencerai d'abord par euh, dire d'où est venue l'idée. Mangana Sinti. Euh, l'idée vient en germain. En en français, il n'y a pas de souci. C'est la fada. Tu peux euh, commencer en français et finir en germain. Voilà, l'idée du camp, mhm. avec, avec la mise en place euh, du conseil communal de la jeunesse, mhm. nous, étant en ce temps-là petit, il y a nos grands frères Ali Moukela, mhm. qui en ce temps-là était président de jeunes, ici de la commune de Saï. Donc,

Ngo gumile chafa neno zana yo. Basi gago. Ikabi ko bas. Amon faham. a amon faham. Donc euh, comme il dere no abda il ga sobegi gana. Après nous il bera bo il ko ko faham. Il faut ni go gate parce que wato di mo boy go e ki gate. Il si conseil ora. Il ga sobegi gana.

Ça va, tu vas bien ah Oui, je vais super bien. Monsieur Salifou Souman Hassan, ah tu peux nous parler des objectifs du camp Nous, en tant que jeunes, donc, nous avons pensé que nous avons un devoir envers notre localité. Mhm. Et comment faire en sorte que nous soyons des fils mhm. très productifs pour la cité. Donc je crois que c'est de prime abord, de façon très introductive, mhm. l'objectif recherché à travers ce camp. À travers les également, nous réalisons donc les travaux d'intérêt général. Ok. À l'exemple, donc les dons de sang. Cournoyant. Oui. Ok. Donc comme vous le savez, ces dons de sang permettront à l'ensemble de la population de Saï, mhm. c'est-à-dire les trois communes de Saï, pas que la commune de Saï. Mhm. Certes, c'est un camp communal, mhm. mais en faisant des dons de sang, donc les comment dire, la commune de, Tamou, la commune de djaladjou quand ils ont des malades en situation vraiment très grave, donc à travers ce geste, vous sauvez des vies. Voilà, nous sauvons des vies. Voilà. voilà. Donc pour continuer dans la même dynamique, à chaque fois lors des camps, mhm. nous réalisons des séances de salubrité. Séances de salubrité Oui. Effectivement. Ah. Donc pour ce qui concerne les séances de salubrité, mhm. chaque année, nous ciblons donc les cimetières mhm. de Saï. Parce que comme on le dit sur le plan religieux, les cimetières, <laughs> voilà, effectivement pour continuer dans la même dynamique hmm. à chaque fois lors des camps hmm. nous organisons donc des activités de formation qui vont permettre donc à la jeunesse d'Essaï ainsi qu'à l'ensemble de la jeunesse de la région de Tilabéni de Tilaberi du moins, mhm. qui participent à ces activités mhm. afin que cette jeunesse-là puisse vraiment prendre conscience, puisse être ouvert d'esprit, mhm. donc à travers des activités comme cette cérémonie-là que nous sommes en train de vivre en ce moment. Mis à part les conférences, il y a également des rencontres avec les autorités. Chaque année, quand on réalise un camp, nous permettons donc à tous ceux qui sont venus d'ailleurs donc de pouvoir rencontrer le chef de canton de Saï, afin de savoir et de découvrir donc l'historique de la ville de, de, de Saï. Voilà. Hein, voilà. <laughs> Mokhtar Yekanga, jeunesse responsable levée des politiques locales de développement. Mm. Mokhtar, quel message vouliez-vous véhiculer à travers ce thème euh, mm. nga gati

u kemara sanifu zari kan irgo pibili kora arim ko pibili kora mi kora no bor fosim wala ara de mala ara ne no fondo hey achora Ça va bien Ça va très bien. Matouno Ramadou. Euh, Mounir Amadou. Mounir Amadou, tu as l'habitude de participer au camp de jeunes. Nous sommes à la 6 édition à Saï. Euh, j'ai participé à toutes les 5 autres éditions. Ah Et me voilà la 6 <laughs> Ah bon ouais, ouais. Ça a commencé avec lui Tu avais quel âge à la première édition Parce que Boron Ngozanka, il est plus vieux que toi. Ah non, les 6 éditions, bon. Hein? Peut-être parce que vous n'avez pas compris, il y a eu une interruption entre la première édition et les, six autres rééditions. éditions. Ah, ah oh, d'accord. Donc c'est là qu'on a fait la première édition, après vous avez attendu 10 ans pour faire la prochaine. <laughs> Ben, parce que la première édition 2006, qui est Guillermo c'est 2006 2006, 2006, j'avais 12 ans. 12 ans, 12 ans, nous avons <laughs> en principe. Parce que vous dites ah, que vous que vous alors mon ami dis-moi comment fonctionne le camp puisque tu as participé pratiquement à toutes les éditions comment fonctionne le camp Et en fait le camp dès la rentrée dès, la rentrée il y a une commission qui est spécialement chargée euh, de, de l'accueil et l'hébergement des campeurs. Mhm. Dès votre arrivée, vous serez enregistré. Bien avant cela, il y a eu des travaux qui, qui ont été faits par euh, eh, un comité spécial qui se charge de, de distribuer les fiches de mhm. sélection des campeurs. Juste après la rentrée, on, repartit le camp en sous-camp. Mhm. Et dans le même sous-camp, il peut y avoir des campeurs qui sont destinés à la cuisine, mhm. qui sont affectés à la cuisine. Mhm. Et il y a certains qui seront affectés au niveau de la sécurité. Mhm. Et certains seront euh, transportés sur euh, sur euh, le, le, terrain. Fonctionnement au Deno, quand il les accueille, il me dans Kangora, beaucoup de Nongo. En même temps, il me euh, il, ils continuent à lancer Folankabo. C'est ça? on va parler des activités. D'une activité, moi, je reviens vers toi, mon frère. On va parler surtout d'activités. Dites-nous, parce que c'est une semaine, le camp. Ça dure une semaine. C'est c'est comme d'hab. Oui. Alors, pendant cette semaine, quelle activité Parmi les activités, mhm. nous pouvons citer et comment dire la salubrité au mhm. niveau des cimetières. Commencer la construction de quatre classes mhm. dans une école qu'on a bien précisée. Cette année Oui, cette année. Construction de quatre classes Oui, quatre classes en paillote améliorée. Ok. Puisque nous sommes jeunes, et d'inspiration, musique nous là. Nous sommes la musique nous là. Hmm. Arang dono de bekas Nous avons Dono kasine Nous Force morale. Arang abe. Oh. Sanou papa. Sanou maman. Ga maganata ba zancen mota ba ba zancen sefa ba ba zancen siyasa ba zance aure ina so in yi aure force morale muje muje muje muje zo muje Nous sommes toujours à Saï. Ouais. Donc, euh, au camp de jeunes 6 édition à côté. Mhm. Alors on revient, on va prendre quelqu'un aussi dans le public euh, pour continuer donc ce que nous avons commencé. pendant toujours euh, cette semaine, c'est des activités qui sont menées. Alors, alors vous allez commencer d'abord par vous présenter. Je me présente au nom de Gamma Amadou. Gamma, bonsoir. Bonsoir, ça va Bon, moi, je vais apprécier par rapport au camp puisque c'est la première fois que j'assiste à ce camp-là. Tu viens de Saï je ne suis pas de Saï, je viens de Terra. Je suis la chargée du genre au niveau départemental de Terra. Chargée du genre oui, sanga oui. albore de woy bore ah woy bore do harde woy bore do hara woy bore do hara de class bo kan kokte ngnon fatigi ke se matano ha kokte da hein? aina aina sibakal indinin aina sibakal indini ilmkina bara aro mustesim sarkine ainang bakar ma zumandi ma ta sese songai borchina ga zam tera no nuk fofu fot las bokan gok taise o ai kan fal no di to taise erim koy kon se. to ai wai won sintina ne ya kan ai sintin ka assiste kan sai kan kan ne wo do sai Aha. diya mo a boriongo zamboriongo no ka hukun inden charan rencontre kai mun be hal inde ginki di chare e ne sans te yomo ko ne mhm. activite yongo no kan ir assist kan egi mil kan egi assist do hay yonno kan e mun mhm. beite din ga so no ni ko faman da seno kan ne bera ago anango ku tonton ago ku sang kan ya wala ago aga bera tonton no aga tonton ya ni ga bai fo ni no dinse kadai ci nimbu mboda na ga bay me ci dai irin korim ta sai bara kulu nin bumboda na gaba irin korim nin bumboda irin korim nin bumboda annoba uko basi uko basi jaro mo o borena go irge kanga irge kanga irge ga alors je reviens avec vous monsieur Mokhtar euh, Mokhtar euh, Garba euh, Hassan, je rappelle que vous êtes euh, chargé à l'environnement donc du conseil communal de la jeunesse de Saï. Alors monsieur Mokhtar, euh, vous avez dit quelque part que Borkulging participait. En principe. C'est-à-dire, ce n'est pas que ceux qui ont été à l'école. Le, camp des jeunes de ça, c'est tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des critères de participation euh, Merci, Dondi. Pas hein? de quoi. ir gonda ir matkirga te da sanga kriteria kriteria mm. fish no gono kai irga ka fish din bon hayan gono kai igate borasi mm. borai kulkan gone wu mm. itu hayan ai dinga bor du sene karan suban hara aha igin ha dinka filana nigi hinga goye wo dumate kan sin da di mane o beno no ya igin o goyen gono kan boren gono isi tefu amma di ka kan wora igite Mm. dinka ne mm. igin ha mm. kerberan diyan dabo dai mate yayi zatara le respect mutuel Aha. et la fraternité hanni ga kubandi est-ce que tu peux le faire est-ce que ni ok igin ha mu halfon su su bai da hinai tun ga zuriyan Sangue le sport matinal. Ça fait partie des conditions, des critères. Voilà. Le sport matinal, est-ce que tu peux. Aha, igaye gabora ha hala niga hinga yadda makajir bi iddu ga kwai girbi iya kan ga kan window sai ganji est-ce que tu peux accepter de vivre sur le camp en, euh, oui, en ah, six jours, ah, en terme fada. Voilà. Sans rentrer en internat, au fait. Uh -huh. Tu n'as pas le droit de quitter le camp. Uh -huh. Ça fait partie des critères. Ni gwanda gaka sinayen, kan ni ga ma alzana ya do hari. ma goyo kanga labo ton ton do hare zamci ni ra borai aro sai da honde nan kida kirku bai horiyan gono fodi gono bori yanga kande activité culturelle aha irna mina mai hay mm. kan irsi bai mm. son mat kan boro ne tera ni ga hunda mm-hmm. anga te tera i gondi ngai namu kan mm. si irse sene wo aga ka ga borai kebe wani gonda fore fo kan ga kan borai sai ni ga kan ga borai kebe wala binda ni wodi senigre donner et recevoir voilà ko ko ba ko ba kaya eh, boro gala chapa yanga ang alri ba sintina gar tu gine ngi semno tay irm ko to so ana ba matin nargte irg be kan temu jeunesse responsable levier des politiques locales de développement ngono tir temo la mhm. irg be mo koren kun temo kan des jeunes de sai mhm. quelle finalité on va parler de l'impact mhm. sang misali ga irgo koy émission o banandino impact

imaduganaana carga de tilbel bora sigman sando de tera bora sigman sando ni ngi tan sar ci pour zender bora de maradi bora mo dugman sen d'accord mm. donc en fait euh, à travers euh, ce camp mm -hmm. l'impact recherché est de permettre à tous les participants mm -hmm. donc non seulement de se connaître mm-hmm. d'être ouvert d'esprit mm-hmm. Donc d'échanger sur des thèmes divers et des expériences diversifiées. Mais Audio s'est recherché. Maintenant, pendant ces six éditions, est-ce que vous, vous avez senti que justement ils se sont connus C'est ça en fait Effectivement. Je, vais vous prendre l'exemple sur moi-même. Ok. Parce que tout comme euh, le, tout comme Mounir, mhm. la première fois que je puis assister, participer du moins à mhm. un camp des jeunes, mhm. c'était en 2014. 2014. Oui. Et je dois vous préciser avant tout que je suis de Saï. Mhm. Et avant de participer mhm. à la première édition, mhm. donc en 2014, il y avait beaucoup de participants que je voyais dans la commune sur est On ne se saluait même pas parce qu'il y a vraiment un écart d'âge entre nous. Et depuis lors, quand ces personnes-là, on avait y à participer ensemble, on, cause, on causait, on posait la fada ensemble, on travaillait. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines avec qui, qu'on se voit, il y a des appellations qu'on fait donc pour se reconnaître. On dit Jacques. Jacques n'est pas théâtre. Bref, mais est-ce que quand c'est sa forme Est-ce qu'il y, a des formations Est-ce qu'à euh, travers le camp. Oui, effectivement, à travers le, camp. Les, participants sont formés. Voilà, les participants sont formés. Mhm. Par exemple, à travers les conférences. À travers les conférences. Les sensibilisations. Les sensibilisations. Bref, Parmi aussi, euh, comment est-ce qu'on appelle ces impacts Vous avez déjà cité là, Tout à l'heure, euh, vous avez aussi évoqué les, euh, conférences. les conférences. et la formation. En dehors de ça, quel dehors impact? de ça, il y a également un impact communautaire. Donc, le besoin d'aider son prochain. Par exemple, je reviens un peu sur le don de sang. Mhm. Par exemple, aujourd'hui, on peut se, c'est-à-dire on peut se pointer à l'hôpital. Mhm en étant malade. Mhm. Souvent, difficilement, on va trouver un membre de la famille qui lui-même se porte bien pour pouvoir nous donner son sang. Eh, tu vois, tu as participé cinq fois. Dis-moi de toi à moi, est-ce que le camp a eu un impact sur toi Zama, un kan de jeunes omaga. Hmm. Eh, Niger département sino ke ko ke shudu de ge kubeni. Afo Niger. OK. Oui yin kanta mm-hmm. gati har wati din kan grasso kan de jeunes mm-hmm. formation et citoyenneté leadership citoyenneté leadership OK oh, ça t'a permis aussi ça t'a euh, permis ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses beaucoup de choses oui et à éviter certaines mauvaises pratiques que je faisais dans et certains mauvais comportements ouais, merci comme euh, peut-être euh, la chicha et, autres OK est-ce que vous voyez OK et puis maintenant grâce au camp et aux différentes conférences de citoyenneté. Mhm. Aujourd'hui, je me sens dans l'obligation de, secourir mon prochain. Alors je reviens avec toi bien évidemment. Oh, qu'est-ce que euh, ce camp apporte à la population de Saï <laughs> aranima itsanera itsigire kai sambura inni ha irgonda anya kanga lokol fu irgo koida gate tanda se amma guru tanda manti ha musim lokolo din kan se irgonda nyen koiga guru tanda yote lokolo bore kan na lokolo din kina hal honga gati bore kan gogadi irse kan wo mate annasar fonno kan go france mm. son lokolo din ina singika son comme l'école au Sintina, classe Hinzi Takino. So l'école is a go gaba, mm. agato, Borisinda Hina no kuli class, Kuligogate Tande and Ganagandaga. Mm. Jiri Hinza Gadaka Charga, Tande, Locolo Bindora, Nono mm. Da danjo din tun lokol izai gate semen fo ihinka isi koy lokol hatta dai dinga kai. Timno sanodi. Hal noro kai iga kaga ko iga tanda idinte noro fa irin yangai da ir babai wo kan sigane kozes oh. kozes wodi nuru ngani goye ga ka sanga asusuno akai ga jiro ra hanki imga te fo mm. irin yangai banda dir babai bandara sori hin kani gati a ah, wane wa monte wallahi so ndir na kala sai te mm. din da guriyan no mm. ba irsa ware ba dai gobara ka gure ke gicin di gure ke yala dai ne rigide amma gobara o ko dai miskan na amin voilà oh, donc deja no din kokari bo rigote kokari bo bo gote hay fogon karango tan to ni gamono hay fogon ibobo okay danga kan manti haran wana son mm. matkai nafka sai e bore godu kango igo godu kango non gubo bo gon kan hunkuna mm. din koy e gala sabu danga ne wato da accident fogate ne wo habbe na gama dira da mm. virage fo yanno gon daga koy prefecture highway dira son zambore viraji yanno kan bore ga taro furkera mm. hal hon goye worano iske ki tondiya mm. gaso bai gana kan ganan viraji din bore masi vire kiarbo. to sanoba yan son nafa bo bore ni go pour être bref mhm. alors ce qu'on va faire Zare quand il sai bore go nafa OK il se retrouve à travers ce camp dis-moi euh, euh, euh quelle perspective de la population sangami saliga c'est mal vu ou pas parce que nous, euh, c'est des filles et des garçons qui se réunissent, il y a toujours des préjugés, il y a toujours des, gens qui parlent, qui ne voient pas la chose au clair. Ok, d'accord. Alors dites-nous, euh, euh, comment est-ce qu'ils voient, en fait, la population, c'est comment est-ce qu'ils voient, le camp de jeunes Pour ce qui est de l'image du camp, je crois que si je devrais soutenir cette image-là, entre, donc, sur un pourcentage de 100%, je dirais que l'image est de 90%. 10 mhm. Pourquoi il nous manque ces 10 autres pourcents mhm compte tenu de d'autres préoccupations, donc de d'autres responsabilités que nous avons dans notre vie, mhm. c'est-à-dire dans nos vies, nous manquons vraiment assez de moyens, c'est-à-dire pour remplir ces 10% manquants, afin que l'image que la population ait de, comment dire, du conseil ou bien de l'ensemble des activités que nous menons soit vraiment retenue à 100% simplement. Oui. Merci. Alors nous sommes pratiquement donc à la fin de cette émission. On va donc aller aussi écouter de la musique parce que la musique elle a de la place euh, sur cette émission. Et juste après cette pause musicale, on revient avec force pour continuer ce que nous avons commencé. De retour sur l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée, je le disais tantôt en début d'émission, à la jeunesse nigérienne. Est-ce que la jeunesse est présente ce soir Oui Elle est présente, la jeunesse. Alors on va parler, cette fois-ci, de des dispositions sécuritaires. Est-ce que vous assurez la sécurité des campeurs <coughs> euh, Une un danga porto kango jardin d'enfant oh jardin porto oh mhm. danga boy kunno si huro da bonti bora goni ga tikitano okay ya yaani dinga boy ku kan huro irga bai bor kanno mhm. banti boy ku kan no ga zurga kaga furo okay wodin banda halirga te irga koy ga tonan digin borai do kan sigiriyan kirga mm -hmm. wata kanki na irin bo sika gono ka alhali sino mm. kom gin bore gabai mm. irga wuran didan iga mm. ima fabil sai soja yankan ga hinga ka gir hauzu ne amma irko hina dinga bonora irwo lakkal kane go lakkal kane go no irko de mirga oh. irko mir lakkal kane bay non sanig bano emission bin mintu gu no chindese mon ami je reviens tout à l'heure tu parlais des classes construction des classes. Oui. Et je t'ai dit qu'en fin d'émission, on va parler de financement. Oui. Alors comment, comment, comment, comment ça marche Vous êtes financé oh. Oui. Ok. Par qui Par euh, l'association Saipésia. Comme okay. le précisait donc, dans son allocution, mhm. il s'agit d'une commune de la France Ok. donc, qui est en train de nous financer chaque année. Mais malheureusement pour nous, compte tenu donc de la préoccupation de la population, mhm. du nombre des campeurs que nous avons, mhm. nous ne pouvons pas, c'est-à-dire ce financement-là ne peut pas garantir donc la satisfaction totale et parfaite des activités que nous organisons. Vous avez toujours besoin aussi d'être accompagné. Et oui, nous lançons non seulement un appel, mhm. mais nous allons profiter donc pour remercier toutes les personnes là qui, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, sont à nos côtés. Des personnes de bonne volonté. Effectivement. <laughs> Alors un dernier mot ajouté par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour finir l'émission. pour finir, vous dire ir borai ir alhalai kadai suru mhm. zama hunkuni ma bora ku singe da haya kan gogate bora ngane hunkuni hayo kai gogate in dunya zaka kulno gono mhm. alor kai ro na kai go iro wuran din boni go da wallahi daga baga kasine zama noro kan bora dinga samba imakande mhm. tubarakallah ir ga sabu Avant donc de clôturer, mesdames et messieurs, cette émission place à la chronique d'Olivier. Alors Olivier, parle-nous du buzz, parle-nous du buzz, parle-nous s'il le faut du Bonsoir et bon dimanche à tous. Très heureux de vous retrouver, amis jeunes. On va commencer cette chronique avec ce rappel historique. Le 23 août marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Elle offre l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Cependant, selon la chaîne allemande Deutsche Welle, bien que la traite négrière ait été abolie au XIXe siècle, on estime que près de 40 millions de personnes dans le monde vivent encore en esclavage. Le continent africain, bien sûr, n'est pas épargné de l'esclavage au défi de développement à mi-jeune, dans un pays où nous représentons plus de 50% de la population, la responsabilité nous revient. Ce week-end, je suis tombé sur une interview sur la chaîne YouTube du célèbre Antonio Banderos, alias Le Desperado, et je nous invite à l'écouter. Il n'y a pas de rêve impossible. C'est un message que je cherche toujours à apporter aux jeunes. Si j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. Il s'agit de travailler et rêver grand. De rêver grand et ensuite avoir la capacité de sacrifier pour arriver à l'endroit, s'engager, travailler et toujours se relever. Il n'existe pas d'échec total. Il y a eu une enquête, je suis un peu choqué de reconnaître, mais il y a eu une enquête dans une université, je crois que c'était en Andalousie, et il était demandé aux étudiants ce qu'ils voulaient être, et 75% d'entre eux voulaient être fonctionnaires. Cette même enquête a été faite aux États-Unis et 75% voulaient être entrepreneurs. C'est-à-dire, maîtres de leur propre vie, ils ne voulaient pas être dans un bureau avec un chef au-dessus d'eux. Ils voulaient avoir une idée, assembler des amis, développer et lutter pour cette idée. C'est ainsi qu'ont surgi les Facebook, Google, Mac et toutes ces choses avec cet esprit. Avec 75% des personnes qui veulent être fonctionnaires, on ne fait pas un pays. On fait un pays avec des gens qui prennent des risques. On fait un pays avec des gens qui prennent des risques. Tout est dit, prenons des risques pour construire notre grand Niger qui rend la nature plus belle et surtout soyons fiers d'être Nigériens. Fin de cette chronique, dans nos têtes, soyons des Américains, soyons des preneurs de risques, soyons des conquérants et que nos actions mènent le Niger plus haut, plus loin et plus fort. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une toute autre chronique. Bye bye. Voilà, tout ça la fada de cette semaine, c'est fini. Fada Gbagasai. Hey. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions, vos commentaires ou recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp, en envoyant jeune au, 80 06 88 54. À la semaine prochaine pour un autre numéro de tout à la Fada. Machine and Camper. Thank you. Hey. hey.